xel war naa dal buñ la ne kenn ci responsable yi dem na seeti sunu kilifa diine yu mag yi rawatina sëriñ Muntaxa yiw rek lañ fa uti woon jàmm rek lañ fa uti woon sàkku ci moom ñaan ñaan ko mu ñaanal président Macky Sall mi waral lii yëpp je me sens prêt pour conduire pour conduire pour conduire les destinées de notre cher Sénégal vers un avenir meilleur pour les Sénégalaises et les Sénégalais dans l'horizon du plan Sénégal émergent. Nous avions pensé, le président Macky Sall, que l'émergence était pour l'horizon 2035. Mais le bon Dieu nous a gratifié de richesses. Cet horizon sera réduit de 5 ans. nous sommes un pays très jeune cela veut dire que la jeunesse n'est pas l'avenir dans notre pays la jeunesse c'est le présent du Sénégal c'est pour cela l'intégration dans laquelle nous sommes si nous parvenons à la consolider on sera au-delà des 1 million d'emplois que je viens de promettre. réforme la constitution Demain créer un vice-président Demain créer un sénat Demain, bëgg a charge yi fille. ku bëgg jël da ngay xaar ba fille. yoon bëgg ku ma gunge ndax ma mën a liggéey waxuma loolu su ngeen ma falee le 2 avril vous ma prêter serment le 4 avril ñu commencé liggéey loolu la réew mi soxla te du ànd ak làmbatu